le forum du studio le forum studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum studio le forum studio le forum studio le forum studio le forum studio Auditeurs et auditrices, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Trois sujets constituent le menu du forum d'aujourd'hui. D'abord, la situation sécuritaire dans la région de Difa avec le retour triomphal des forces de défense et de sécurité accueillies en grande pompe qui ont mis hors d'état de nuire des centaines d'éléments de Boko Haram. Ensuite, nous aborderons le, dysfonctionnement de l'administration nigérienne que le Premier ministre compte régler. Enfin, nous parlerons des résultats de l'enquête d'Afrobaromètre présentée samedi au LASDEL à Niamey où il ressort de l'avis des citoyens, je cite, des conditions de vie défavorables et une administration corrompue. Fin de citation. Pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Gary Amadou du journal La Nation. Gary, bonsoir. Bonsoir. Elage Suleiman Mahmoudou du journal en Ligne Niger Inter. Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Rufai Dandoua, journaliste freelance. bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Sidik Ali en ligne avec nous. Il revenait euh, de DIFA. Sidik, bonsoir. Sidik, euh, que nous allons tenter de euh, rappeler donc, au cours de cette émission. À la présentation, Alassane Kouzi Mahmoudou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 11 janvier 2019. Comme annoncé, nous débutons ce forum par la région de Difa avec le retour du front des forces de défense et de sécurité qui ont mené une grande offensive qui a permis des sources officielles de mettre hors d'état de nuire plus de 200 éléments de Boko Haram et d'importantes quantités de matériel récupéré. L'accueil des militaires en grande pompe à Difa a été diversement apprécié par les citoyens. Euh, je commencerai par vous, Garé Amadou était-il euh, bien indiqué de faire ce cérémonial Les militaires ont-ils ainsi abandonné les zones ratissées après cette euh, victoire Pourquoi un si bon résultat après plusieurs années de terreur En tout cas, euh, ce sont là quelques questions que se posent des citoyens. Comment vous répondez à ces questions Oui, vous avez bien fait de parler de ratissage parce que les opérations de ratissage ont pour but de partir nettoyer les poches et de revenir. Il ne s'agit pas d'occuper le terrain. C'est-à-dire partir des poches où il y a des, éléments terroristes, les neutraliser et revenir. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Est-ce que vous comprenez euh, Vous dites que l'accueil des militaires a été diversement apprécié, mais non. Mais la population, c'est ce qu'elle demandait depuis longtemps. La population ne voulait pas avoir des militaires l'arme au pied. Elle voulait des militaires qui subissent. Elle voulait des militaires qui vont aller trouver les terroristes et les mater. maintenant, la coopération est en train de comprendre qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle approche qui est pour moi la plus productive possible, qui est à même de permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir, en tout cas, maîtriser la menace Boko Haram. Je ne dis pas que euh, les militaires vont, euh, parvenir à, en tout cas, en tout cas, la menace que Boko Haram fait peser sur le territoire national, quand même, les militaires sont maintenant dans une posture où ils peuvent diminuer, en tout cas, euh, l'effet de ces attaques terroristes-là. Bien, nous avons la ligne rétablie. Nous avons euh, Sidik Ali en ligne. Sidik, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été à Difa euh, où euh, justement ces forces de défense, après en tout cas euh, l'ère offensive contre ces éléments de Boko Haram, sont rentrés de façon triomphale. Quelles sont les appréciations au niveau de la région phare Difa bah, écoutez, en ce qui concerne le sentiment au niveau des populations, et euh, de l'administration ainsi que de la société civile, il n'y a pas vraiment en tout cas de doute. Ce n'est pas du tout un sentiment mitigé, c'est justement un sentiment de satisfaction générale. D'abord, il faut reconnaître quand même que euh, l'armée a vraiment euh, abattu un travail gigantesque, un travail vraiment en tout cas qui a été positivement apprécié par la population, parce que la population ne demandait que cela avant tout. Donc euh, cette armée s'est déployée pendant euh, vraiment plus d'un mois sur euh, le théâtre d'opération, là où même se développe l'insécurité. Vraiment là-bas, il a promis un travail extraordinaire. donc je crois que cela n'a fait que vraiment réjouir la population et ça rassure vraiment la population parce que d'une manière vraiment générale, les gens commencent vraiment en tout cas à faire confiance à leur armée. Donc euh, je crois que cela fait suite vraiment à une décision d'ordre politique euh, qui a été inspirée euh, par les chefs d'État. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment en Gamena, il y a eu vraiment un déclic qui a été donné par le président de la République, son Excellence Issou et ses pères tchadiens, maliens, nigériens et, autres. Donc ils ont décidé vraiment d'une manière générale, vraiment en tout cas, de faire une offensive, de prendre en tenaille ces malfrats euh, de nettoyer les lits du lac Tchad. Euh, ça, pour plusieurs euh, objectifs. D'abord, l'objectif numéro un, c'est vraiment, en tout cas, de rassurer la population de se débarrasser vraiment, en tout cas, de cette gangrène qui est Boko Haram, mais aussi de créer les conditions pour que vraiment, en tout cas, cet espace vital, qui est vraiment un espace agricole, vraiment, qui, est non seulement important pour le pays, le Niger, mais aussi pour la sous-région et la région de Difa aussi plus précisément, soit vraiment exploitée et mise en œuvre. Donc, d'une manière générale, l'armée a accompli un travail extraordinaire. Alors, Sidi Ali, est-ce que justement, vous qui venez de DIFA, est-ce que euh, cette assurance s'est lisée, lit sur les visages des, populations de DIFA C'est cela même que je disais, l'assurance se lit sur tous les visages et ça, ça se voit c'est palpable parce que les gens le disent les gens le disent, la déception au début, ça se, voyait, mais aujourd'hui, c'est tout à fait une autre tendance que se dessine. Donc les gens sont totalement satisfaits de leur armée, et d'ailleurs, c'est ce qu'on demandait, parce que quand même, une armée nationale a toujours besoin vraiment du soutien de la population. L'armée, vraiment, est une émanation de ce même peuple, donc il doit forcément y avoir vraiment, en tout cas, un soutien, doit forcément avoir un appui vraiment en cas de cette population envers son armée. Parce qu'on n'a pas une autre armée qu'on peut importer qui peut nous faire un travail. C'est notre armée, ce sont nos fils, ce sont nos enfants. Ils sont partis, ils se sont sacrifiés. C'est vrai, ils ont payé un lourd tribut, mais ils ont fait un travail extraordinaire qu'il faille vraiment en tout cas euh, saluer vraiment encourager, là vraiment même au niveau des autorités civiles et militaires, au niveau vraiment en cas de ça traditionnel, de toutes les composantes de la société au niveau des DIFA, les gens vraiment sont unanimes à reconnaître que euh, l'armée commence vraiment en tout cas à, se réveiller, à vraiment à poser des actes euh, vraiment en tout cas qui vont dans le sens euh, vraiment de créer l'espoir au niveau des populations. Donc il y a cela, mais aussi ce qu'il faut vraiment louer, c'est que même du côté du Nigeria, au début qui était vraiment en tout cas un peu le ventre mou euh, du système de sécurité au niveau de la zone, l'armée nigériane a commencé vraiment à se mobiliser sur le terrain pour vraiment en tout cas monter ces malfrats. Rien que cette semaine, euh, vraiment l'armée du Nigeria a vraiment massacré beaucoup vraiment de terroristes au niveau de Damasak et de certains villages environnants. Et cela va vraiment en tout cas dans le sens de ce qu'on souhaitait depuis longtemps et tant mieux pour nous et pour la population. Merci beaucoup Sidi Kali pour ces précisions. Euh, merci de garder de continuer à nous suivre. Euh, nous revenons au studio. Et là, Suleiman Mamadou, euh, vous avez en tout cas suivi toutes ces précisions apportées par Sidik Ali. L'armée, après en tout cas cette victoire, quelques 200 éléments de Boko Haram qui ont été neutralisés. Était-il bien indiqué ce cérémonial qu'on a vu, en tout cas pour accueillir ces forces de l'ordre oui, mais c'est tout à fait euh, naturel lorsque, effectivement, ces terroristes tuaient, massacraient et nos militaires et les populations. Ils sévissaient, c'est tout à fait euh, normal. Euh, vous avez vu à travers les réseaux sociaux, en tout cas de façon générale, il y a une certaine confiance, comme il l'a dit, en tout cas une certaine assurance. Et c'est une très bonne chose. Je pense que quelque part aussi, il y a des nôtres, quelques-uns en tout cas, qui confondre aussi que au niveau de l'armée, c'est quand aussi la lutte, c'est la stratégie. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre euh, sur la table des questions de stratégie stratégies de défense. Tout, tout, se passe comme si, en croire en tout cas certains, à certain moment, comme si on n'a pas d'armée. C'est-à-dire que les gens ont tendance à créer une sorte de euh, je veux dire, phobie en tout cas de faire peur aux Nigériens qui voilà. Bref, euh, euh, je pense que le plus important, c'est qu'on a constaté, et au Nigeria, au Nigeria en tout cas dans la région, le changement de stratégie. On va maintenant à, l'offensive. c'est un mieux. Donc moi, de mon point de vue, il est aussi important de dire de l'autre côté ce qu'on attend aussi de la population et de tout le monde. C'est aussi une saine collaboration que effectivement il y a des gens qui sont à DIFA, que véritablement, moi par exemple, j'ai été témoin en, discutant avec euh, en tout cas des militaires qui étaient, dans euh, qui étaient à un moment dans la, dans la zone, qui disent que franchement, c'est que curieux, ce que les, les, touristes peuvent venir frapper, mais quand vous venez au niveau de la population, avoir des renseignements, discuter avec les gens, ils ne peuvent rien dire de cela. veut dire que quelque part, en tout cas, cette complicité qu'il y a avec, en tout cas, avec la population, il faut que les gens se disent que aujourd'hui, si la, religion, si la région des DIFA empathie sur le plan sécurité, sur le plan économique, c'est parce qu'effectivement, euh, tout le monde doit en tout cas euh, collaborer, coopérer en tout cas avec euh, l'autorité je veux dire, avec l'armée, mm. pour effectivement qu'on crée les conditions d'une sécurité totale. Mm. Euh, c'est-à-dire qu'il me paraît évident que ce, serait vraiment très euh, complice euh, de, vivre cela. On connaît souvent. Parce que vous savez, en fait, le danger, c'est que quand il y a la guerre aussi, il y a beaucoup de gens qui profitent. Hein. il y a des profits, de, ça profite, j'allais dire, de, la situation. Mm. Mais vraiment, les plus vigilants, en tout cas, doivent se dire que la, la, posture la plus idoine dans la situation, en tout cas, de contexte, c'est franchement créer les conditions, de, en tout cas en dénonçant euh, les gens qui sont connus, parce qu'un euh, militaire nous disait que euh, ce qui se passe souvent, c'est des gens, des fils du qui sont, qui sont connus, mm. mais les gens ne dénoncent pas. Bien. Roufaï Dandoua, les populations de la région de Difa, en tout cas, l'espoir est en train de renaître auprès de ces populations après cette victoire retentissante de, des éléments des forces de l'ordre nigériens. Oui, bien sûr. Il faut dire qu'une guerre ne se gagne pas eh, en un jour ou en deux jours. C'est, c'est, Au fait, je pense que dans cette guerre contre Boko Haram, c'était eh, la communication qui avait failli un moment. On avait pensé qu'on allait eh, juste massacrer cette secte euh, Boko Haram, mais c'était sans compter la manière dont elle, elle était organisée. Et au Niger et au Nigeria, vous avez, si vous avez suivi un moment nos, nos, nos présidents et Issoufou et Buhari tous pensaient que on allait vite en finir. Euh, la preuve, ce n'est pas le cas. Lorsque un ennemi rentre chez toi, c'est qu'il est bien préparé, il ne vient pas les, les mains vides, il sait à quoi il s'attend, donc il doit se préparer. Euh, j'ai lu aujourd'hui une interview du président du, Nigeria, Buhari, qui, qui, disait que tout ce problème, c'est la faute à l'ancien président libyen Momar le kadhafi qui est à la base de tout ça. C'est pour ça que c'est après qu'ils se sont rendus compte, peut-être un peu tard, que eh, c'est une secte très bien préparée. Mais aujourd'hui, que l'armée nigérienne, que moi je ne qualifie pas, de, je ne pense pas qu'elle dormait, quand les gens disent qu'elle s'est réveillée, même à l'époque, elle était debout, elle travaillait, mais la façon dont. Elle Suleiman disait qu'il y a un changement de, de, tactique, notamment euh, mener des offensives plutôt que d'être. C'est normal, à chaque fois que, la guerre, on, ne part pas avec une seule tactique ou une seule stratégie. Lorsque vous vous rendez compte que la stratégie que vous avez mise en place n'a pas marché, on, replie. C'est ça qu'on appelle chez les militaires un repli tactique. Maintenant, pour euh, changer notre stratégie et repartir de l'avant. Aujourd'hui qu'on a euh, eu cette euh, victoire, je pense que c'est à l'actif de, de, tout le monde, des militaires du Niger, des, services de renseignement, de, de, la coopération aussi entre les différents États. Je pense qu'on doit continuer dans ce sens. Mais je ne pense pas qu'on doit dormir sur nos lauriers pour venir et fêter parce qu'on a eu une victoire, on a gagné et une bataille, mais la guerre n'est pas, n'est pas encore totalement gagnée. Donc, il faut qu'on reste vraiment vigilant et qu'on reparte pour de bon pour avoir encore d'autres victoires parce que mm. et la population de Difa, la région de Difa en a besoin. Et on a tous été, ces derniers temps, à Difa, on a vu comment la population souffre, comment la région a besoin de redevenir Difa pour que les gens vivent en paix et dans la sécurité. Alors, passons à notre second sujet. Je le disais, le dysfonctionnement de l'administration nigérienne dû à certains comportements observés de la majeure partie des services publics de l'État n'est pas de nature à favoriser le développement du pays. Pour y, remédier, c'est un rappel, le Premier ministre Brigitte Raffiné rencontrer le mois dernier les secrétaires généraux des ministères, leurs adjoints et les inspecteurs généraux des services afin que chacun y mette du sien pour faire des propositions à mettre en œuvre pour faire répartir la machine administration nigérienne. À ce sujet, écoutons l'extrait d'un entretien que nous avons réalisé avec le haut-commissaire à la modernisation de l'État. Présent à cette rencontre, il donne quelques pistes de solutions ébauché pendant la rencontre sur la ponctualité et l'évaluation des performances. Amadou Saleh Oumarou, commissaire à la modernisation de l'État. Les intervenants ont souligné les limites du système de registre, que c'est un système qui n'est pas efficace, notamment les gens peuvent tricher. Donc le Premier ministre a invité les structures en charge de ces questions de se mettre ensemble pour réfléchir et proposer dans les meilleurs délais une formule qui permettrait de bien gérer la dimension ponctualité et assiduité et qui permettra de réduire l'absentéisme il est également aussi apparu au cours des échanges la nécessité de repenser pour instituer un système d'évaluation des performances. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas le perdre de vue. Le système actuellement en vigueur, c'est un système euh, classique qui consiste à donner une note aux agents. Et cette note-là, d'ailleurs, les agents suivent et à la limite exigent de leurs responsables qu'elle ne soit pas inférieure à 18. Donc dans ces conditions, il est difficile de porter une appréciation objective sur les performances d'un agent à son poste de travail. La fonction publique a engagé des réflexions il y a fort longtemps. Le Premier ministre les a instruits pour que dans les meilleurs délais, ce système-là qui est en gestation puisse être formalisé et finalisé et être implanté dans les meilleurs délais. Amadou Saleh Oumarou, au commissaire à la modernisation de l'État que vous venez de suivre. Euh, Roufaï Dandoua, quel commentaire euh, après cette écoute Vraiment, si vous me demandez aujourd'hui eh, à quoi sert le Haut Commissariat à la modération de l'État eh, peut-être que je ne suis pas le seul, beaucoup de Nigériens vous diront qu'ils ne savent pas à quoi eh, sert ce haut commissariat. Vraiment, Seulement la question n'est pas de savoir à quoi sert le haut commissariat, mais plutôt qu'il avait, qu'il avait un rôle pour, pour euh, comme il l'a dit, mais apparemment on ne sait pas ce qu'il fait. Mais si on revient sur euh, cette histoire de, remise des Nigériens au travail, tout le monde connaît le problème. On n'a pas besoin d'être, euh, d'avoir le doctorat ou une, une maîtrise pour savoir que la politique a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens vont au boulot quand ils veulent, font ce qu'ils veulent. Pourquoi Parce que même lorsque vous avez un DG, imaginez, vous avez un DG qui, qui, puisque la plupart des, entreprises de l'État, c'est sont des dénominations, euh, les DG à la tête. Quand vous avez un DG euh, issu d'un parti politique allié et que vous, vous êtes par exemple le principal parti au pouvoir, vous pensez qu'il peut vous dire quelque chose Non, vous venez quand vous voulez. Le problème, le réel problème de l'administration nigérienne, c'est la politisation à outrance de l'administration. Tout le monde se rappelle lorsque le président était venu, il avait dit qu'il va changer cela. Malheureusement, à l'épreuve de fait, on se rend compte qu'il y a encore ce phénomène qui gangrène l'administration et les gens viennent quand ils veulent parce qu'ils se disent qu'il n'y aura pas de, de sanctions, je suis de tel parti politique, j'appartiens à telle famille, j'appartiens à, ceci ou à cela. on, on l'avait vu lorsqu'il y avait des régimes militaires au Niger tu, n'as pas de... Un lien familial ne suffit pas parce que déjà, il n'y avait pas de parti politique. Mais aujourd'hui, les gens se disent non, je fais ce que je veux parce que je sais que rien ne va m'arriver. À la fin du mois, moi, je vois des agents qui ne viennent pas au boulot, qui font eh, une semaine, deux semaines, trois semaines. ceux qui, font, qui ne viennent qu'à la fin du mois pour savoir si le salaire est, passé, ils partent euh, dans leur banque pour prendre leur salaire. Et on ne fait rien. On ne peut même pas les sanctionner. On a beau avoir les indicateurs de performance, on a beau avoir eh, de, de, de, de, cahiers de présence à la fin, ça ne va servir à rien. Bien. Elhaj Suleiman Mamadou, euh, quelle est votre appréciation après cette écoute euh, En tout cas, des réflexions sont en train déjà d'être euh, menées pour trouver des pistes de solutions, notamment par rapport à cette question de ponctualité et d'évaluation des performances. Pour Roufaï, la question de la ponctualité est le plus souvent liée à la politisation qui fait que les uns... franchement, quand j'ai suivi le Premier ministre avec les SG et les inspecteurs des services euh, à cette réunion, hmm. quelque part, j'ai senti un aveu d'impuissance. Euh, l'administration, qu'on soit euh, en dictature ou bien en démocratie, il y a des normes, il y a des règles à appliquer. Ça veut sanctionner, quelque part, ce que le vient de dire, la politisation de l'administration qui est une réalité. C'est-à-dire que euh, je pense qu'un administrateur, euh, en tout cas sérieux, si on est nommé par un décret, tu vas sanctionner, quitte à démissionner. En fait, ils euh, sont très attachés en fait, à leur avantage, ce qui fait qu'il n'y a pas de courage. Rappelez-vous, au temps des temps, lorsque le, ministre, donne-moi le nom, de Issa Lamine, euh, il a sanctionné. Peut-être que c'est euh, anti-valeur puisque il l'homme, euh, de manière physique, en tout cas, essayer de sanctionner. Il est parti, il a dit non. Parce que, autrement dit, je me dis que c'est très simple. Appliquer les règles de l'administration elle-même, à savoir la sanction, tous, en fait, même en tant que profond, tout ce un, petit cours de, de, de, de l'administration, on sent que vraiment la plus grande défaillance, c'est que les gens ne font aucun effort pour appliquer le minimum de règles qu'ils ont entre, les mains. Quelqu'un qui vient en retard, euh, une absence non, justifiée, il y a des règles élémentaires à appliquer. Et euh, maintenant, effectivement, ce que dit, c'est pas que le haut commissariat ne fait rien, mais ce qu'en réalité, même ce qu'ils sont en train de faire là, il a dit, ils ont fait un, registre. Hum. Mais c'était mis de côté parce que simplement, euh, il Ils ont pas... plutôt trouvé une formule, euh, un appareil électronique qui permettait aux, employés de s'enregistrer. Ailleurs, nous ne sommes pas peut-être à, ce niveau où on met des caméras ou bien en tout cas euh, des, patrons, en tout cas qui, des gens qui sont là. Leur travail, c'est vraiment mettre l'ordre. Tu ne fais pas ton boulot, qui est ici et maintenant sanctionné. Donc, bref, moi, je pense que les plus hautes autorités de l'État, trêve de, de polémique, euh, euh, moi, je le dis toujours, si on fait référence, euh, par exemple, à Kuntier dans ce domaine, c'est parce que véritablement, ils sanctionnent. C'est bon de savoir récompenser les gens, mais aussi quand les gens aussi vraiment expriment l'expression, quand les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, il faut les sanctionner. Et moi, je dis aujourd'hui, il faudrait peut-être que ceux-là qui sont nommés, en tout cas par les décrets, qu'ils puissent faire montre d'ingratitude à l'égard de l'autorité de domination, que quand, quel que soit le parti qui t'a amené, moi je vais te sanctionner, quitte à, en tout cas à quitter. En tout cas, le Premier ministre, lors de cette rencontre, a demandé euh, à, ses inspecteurs généraux et ses secrétaires d'assumer pleinement leurs fonctions sans se soucier de considérations politiques. Euh, Garé Amadou, vous avez écouté le haut commissaire à la modernisation. Quels sont les points qui retiennent particulièrement votre attention Oui, mais on peut, on peut, prendre une batterie de mesures, mais ça ne servirait à rien, comme, l'ont dit mes deux, euh, prédécesseurs. Mm. La politisation de l'administration est vraiment euh, ce qui est en train d'entraver le bon fonctionnement de tous les services de l'État. Pourquoi je le dis euh, Le jour où ce ministre PNDS va sanctionner un cadre PNDS parce qu'il a fauté, le jour où ce ministre MNCD va sanctionner ce cadre MNCD, sachant qu'il est MNCD parce qu'il a voté ou qu'il ne fait pas bien son travail, le jour-là, les gens vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qui change. Mais on peut mettre toutes les machines qu'on veut, tant qu'à la fin, eh, il y aura une sélection parce que tu ne veux pas sanctionner ce gars-là parce qu'il est de notre parti, mais ça ne marchera pas. Il faut qu'on arrive à la culture de la valeur du travail. Parce que c'est ça qui, qui, prévalait autant de de La valeur du travail, le service à la nation. C'est-à-dire que faire le travail à la sueur de ton front, à la fin du mois, prendre ton salaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Vous allez dans un service, vous trouvez des bureaux fermés, n'est-ce pas Le monsieur qui sort à 10h, il part chez les bouchers, c'est fini, il ne revient plus. Non, non il ne revient plus. C'est-à-dire, à midi, il va prendre les enfants et puis c'est terminé. T'as dit comment ça peut, marcher comme ça Et parce que, comme l'a dit Rufai, les gens parfois ils font ça parce qu'ils se disent que bon, le ministre dans tous les cas il est de mon parti, je sais qu'il ne peut pas me sanctionner. Eh bien, il faut que cela change. Vous savez, l'exemple a été donné par l'actuel ministre des Finances. L'actuel ministre des Finances, quand il est venu, il a dit attention, eh, eh, moi je m'en fous de savoir si vous êtes PNDS ou ce que je veux sur le travail. Si vous ne faites pas le travail, moi je vous vire. Et c'est comme ça qu'elle marche. Et il a mis les gens au pied et les gens travaillent. Si tout le monde pouvait se comporter comme ça au sein des ministères, si tous les ministres qui ont été nommés pouvaient fermer les yeux pour savoir, je m'en fous de savoir, oui, oui, toi, tu, euh, ce, chef de service, c'est vrai, tu es de mon parti, mais tu ne fais pas bien ton travail. Moi je te vire. Parce que, en fait, n'est pas ça que je cherche, moi. On peut bien nommer des cadres, des cadres du parti, mais il faut d'abord que, première chose, que les cadres soient compétents. Et deuxième chose, que quand des cadres faute, que même s'ils sont de votre formation politique, que vous puissiez les sanctionner. En ce moment-là, ça a marché, Mais je vous assure, tout ce qu'on peut réunir, tous les, tous les, les, les, comment on appelle ça, euh, ce que le, Premier ministre a réuni, on peut essayer de voir toutes les batteries de mesures tant qu'on n'arrivera pas à mettre, à inculquer à, dans la tête de ces ministres-là, ou la tête de ces DG-là, que sanctionner ne vous fiez pas de savoir si ce gars-là est de votre formation politique. Sanctionnez ceux qui ne travaillent pas, ça ne marchera pas. Euh, alors, euh, Garé, à votre avis, est-ce que c'est seulement euh, cette question de politisation qui mine l'administration nigérienne De quel autre mot souffre l'administration nigérienne L'administration nigérienne souffre aussi de notre problème parce que eh, des gens ont été nommés à des postes alors qu'ils sont incompétents tout simplement. On va revenir toujours à la même chose parce que c'est à cause de la, coloration politique. Mais, parce que moi, je peux comprendre que bon, les partis au pouvoir se partagent tout n'est-ce pas Qu'on nomme vraiment des gens qui sont au niveau de la majorité. Mais au moins, on nomme des gens compétents. Mais vous avez des services où on doit vous dire que. Dans les postes techniques. Mais vous avez. Oui on, sait que c'est les postes techniques. Normalement, on ne euh, doit pas se fier à la coloration politique. Bon, vous, fiez à vous faites ça euh, sur euh, de, façon politique. Mais d'accord, mais, mais nommez au moins des gens qui peuvent faire du travail. Vous ne pouvez pas tout simplement récompenser un militant, lui donner un poste alors qu'il ne peut pas le gérer. Vous avez des chefs de service qui ne comprennent, qui ne peuvent même pas mettre en place un autre, qui ne peuvent même pas défendre un, mais comment on peut, ça peut continuer comme ça Donc, c'est vraiment ces choses-là et qu'il faut régler. Et je crois que c'est pas seulement les, les, de services qui peuvent régler. C'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience au niveau du gouvernement, au niveau de toute la majorité. C'est-à-dire que quand vous êtes à un poste de responsabilité, les agents qui sont sous votre ordre, même s'ils sont de votre formation politique, même s'ils sont de la majorité, il faut que vous ayez le courage de les sanctionner. Et je crois que le Premier ministre a donné le, temps. Il dit que vous, êtes, vous, êtes, vous avez carte blanche mmh. pour sanctionner. Maintenant, on est en train de les voir aller on attend de les voir parce que pour moi, moi, je ne le donne pas un chèque en blanc. Je connais comment ça fonctionne. On, met en place des mesures. Après, bon, euh, euh, c'est pour nos yeux. La population applaudit, mais dans les faits, ça ne change rien. Donc, on va voir ce que ça va donner. Euh, Rufai Dandoua. L'ancien chef de l'État l'avait dit, Salou, Salou l'avait dit, et on ne nomme que les gens qu'on connaît. Ça, c'est vrai. Tu n'es pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Pas physiquement, pas parce qu'on est de la même famille ou de la même région, mais sur le plan compétence. Mm. Il n'y a pas de poste technique. À tous les postes, tu peux amener n'importe qui s'il est imbu de valeur du travail, s'il a la motivation. les compétences aussi si la, la, motivation, le, il va le faire. Euh, la preuve, on a vu le ministre des Finances actuel, ce n'est pas un financier, il est là, il fait, il fait du bon travail. On a vu aux États-Unis Reagan qui était devenu, c'est un, cinéaste, réalisateur, je parle sous le contrôle d'Alain euh, Suleiman, il est devenu un, un bon président aux États-Unis. Lorsque tu penses que tu, tu, as, et tu, tu as la volonté, tu t'entoures des meilleurs et tu fais du bon travail. Tout le monde peut être à toutes les places possibles. On a vu des gens qui ont été des super ministres des Finances qui n'ont jamais fait l'économie. Ça se fait il suffit juste d'avoir la volonté. Même si le gars est de ton parti politique, s'il est bon, oui, tu t'entoures des meilleurs maintenant qui vont t'aider et tu vas, tu vas insuffler une, dynamique et ça va marcher. De quel autre mot, vous, vous pensez que l'administration nigerienne On part, on, monte, on descend, C'est toujours à, l'est, à gauche, c'est la politique qui, qui mine. C'est le principal mal qui mine l'administration nigérienne. C'est pour ça qu'on disait, au-delà du fait que est sanctionné, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de parti politique. Aujourd'hui, c'est ça. Je suis, je suis de tel parti, on ne va pas me sanctionner parce que je contribue à ce que X vienne au pouvoir. Voilà, c'est tout. Hmm. Elan Suleiman Mamadou, est-ce que quelque part la question de la reddition de comptes aussi n'est pas euh, en cause Justement, euh, absolument. Euh, c'est vrai que euh, à partir du moment où, comme on l'a dit, je sais que au, à la sommet, la fin du trimestre, que, par exemple, il n'y a personne pour euh, demander. Le, euh, premier, c'est qui était venu faire ce, constat, lui, c'est un administrateur de formation. quand je parle d'aveu d'impuissance, c'est que véritablement, oui, c'est vrai, c'était en fin d'année. On pense qu'en en, 2019, les, choses, les choses vont changer. Mais je me dis qu'il doit commencer lui-même à donner, à donner l'exemple. C'est-à-dire que l'indiscipline caractérisée du fait des alliances politiques, parce que vraiment, il y a des réalités quand les gens vont vous dire ce qui se passe au niveau de l'administration, euh, que c'est incroyable. Mais l'administration, c'est vraiment l'expression de l'État. On est là au nom de l'État, c'est-à-dire que quand tu viens, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton parti politique. Donc, mais véritablement, ces règles, euh, euh, je aux, règles parce que simplement, je me dis que euh, au sommet, on ne donne pas l'exemple. Quand vous dites qu'il il doit commencer à donner l'exemple lui-même, vous faites référence à quoi, par exemple C'est que sur même au sein du... Quand vous voyez cela, certainement au niveau du, gouvernement, les conseils le, conseil de cabinet, vous allez certainement voir des, des, des, des actes d'indiscipline. donc, bref, je ne vais pas les, dans les détails. Mais c'est vous dire que véritablement, c'est cela, ça commence à partir, à partir, à du sommet. Lorsque, euh, franchement, souvent aussi, c'est aussi euh, le tempérament de la personne. Hein. il y a des ministres, certainement, euh, en tout cas, qui ont de la personnalité. je veux dire que même si tu es de, son parti, tu ne vas pas oser parce que tu n'as aucune chance de le, de le faire il fait, va te, reprendre, peut-être te, remercier. Donc, ce qui fait qu'il y a malgré tout quand quelques des gens qui vous donnent le bon exemple, à savoir que, qui ont le sens de l'État. Mais ici, moi, je, dis, c'est vraiment assez curieux de voir que, euh, euh, je, dis, j'avais appris que euh, lorsque le président avait demandé à la fin de, son mandat, il demande aux gens, bon, moi je veux, voir je vois des jeunes au niveau, de, au niveau des de, cabinet, il faut nommer Les jeunes. Euh, mais qu'est-ce que les gens ont fait pourvu que ce soit un jeune, tu amènes n'importe qui ce tu veux, tu amènes euh, n'importe qui. Mm. Donc toi, tu es un jeune. Non, il faudrait que véritablement, en plus euh, de, même au niveau des postes politiques, il faudrait quand même qu'il y ait un minimum. Donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc mm. les compétences. Mm. Il y a, tu parles des de, difficultés, des problèmes aussi, il y a cette gangrène que tu, voudrais parler dafro Ça, bien avant, c'est de au niveau de l'ACDEL, moi je me souviens dans les années 2000 eh, une étude qui a été faite par le, patron de la eh, sur, la corruption, sur, les pratiques au niveau de l'administration. Donc la c'est en train de s'aggraver parce que ce qu'il vient de dire là, effectivement, sur la... c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance et moi je pense que eh, c'est en cela que la démocratie euh, vraiment euh, les promesses n'ont pas vraiment été à la hauteur de, vraiment de, les, promesses de la démocratie n'ont pas, été à la hauteur, des, attentes. ici, c'est la bonne c'est la transparence, mais on se rend compte que véritablement, par une certaine osmose, les hommes politiques et pas seulement ce gouvernement, tous ceux qui se succédés, en tout cas dans la pratique, quand ils gèrent, c'est vraiment notre parti, euh, c'est le nôtre. Euh, et ça, c'est vraiment très malheureux. Gare vous voulez réagir avant qu'on ne poursuive sur que notre sujet Quand vous avez dans un, dans un ministère un chef de service qui donne l'impression d'être plus puissant que le ministre, parce que tout simplement, il y a un baron, n'est-ce pas, et qui est son protecteur. Mais ça ne peut pas marcher. Et quand vous avez des gens qui pensent qu'ils ne doivent pas, c'est-à-dire que, qui font pratiquement le malin au ministre, ou des gens qui font pratiquement le malheur à leur supérieur parce que tout simplement ils pensent que non, moi c'est un tel qui me protège, donc je fais ce que je veux, lui il peut rien me faire. Mais ça ne peut pas marcher. Et donc j'ai dit, eh, eh, il faut déjà commencer à mettre euh, euh, les gens qu'il faut, mais surtout il faut commencer franchement à faire du balayage, quelle que soit la formation politique. La majorité a besoin de ça pour nettoyer l'administration et mettre des gens vraiment qui peuvent faire le travail. Hmm. Enfin, comme annoncé en titre, les résultats de l'enquête d'Afrobaromètre sont sortis et présentés samedi dernier au siège du LASTEL, laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey. Selon Ali Bako, membre du réseau panafricain qui a mené l'enquête, l'objectif est de mesurer et sonder les attitudes publiques par rapport à tous les secteurs de la vie socio-économique. Nous l'écoutons. Tous les secteurs de la vie socio-économique du Niger sont investigués. C'est des données des Nigériens du plus profond du Niger, hein. même les zones citées comme rouges, c'est-à-dire Difa, le nord de Tilaberi. Toutes ces régions ont été concernées par les enquêtes et au total 1200 Nigériens ont été enquêtés. 600 femmes et 600 hommes pour avoir ces données-là. Mais on fait une ou deux disséminations. La première dissémination elle porte sur la corruption et les conditions socio-économiques des Nigériens. Les perceptions des Nigériens par rapport à leurs conditions de vie sont assez pessimistes parce que on a plus de la moitié des Nigériens qui pensent qu'ils vivent mal et que les conditions de vie sont défavorables. Le deuxième point, c'est sur la corruption et on a vu plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes les policiers. Ali Bako, membre du réseau panafricain El Suleiman Mahmoudou du journal La Ligne Niger Inter, comment réagissez-vous après avoir écouté et compris euh, cette étude d'Afrobaromètre euh, Ben, C'est franchement une très bonne chose euh, qu'il y ait une étude scientifique à défaut d'avoir des instituts de sondage, on tend vers cela avec le LESDEL. Mm. Ça, je pense qu'il faut les féliciter. C'est cela qui va aider à la gouvernance. C'est comme aussi le travail qui est fait au niveau de l'Institut national de la statistique. C'est des informations scientifiques. On est allé sur le terrain, on vous donne l'opinion euh, des, des, Nigériens. Donc pour la gouvernance, il s'agit, de ces indicateurs-là, en tout cas, de savoir euh, donc, euh, tenir compte de ces indicateurs pour inverser la tendance. Donc, autrement dit, euh, je pense que c'est euh, ce, ce qu'ils ont dit, c'est des, des, réalités. Euh, on n'est pas étonné de dire qu'effectivement, la corruption, c'est une réalité qu'on vit. Il va falloir effectivement, je me souviens, le président disait dans un échange interactif avec les Nigériens sur, Twitter, et, c'était ça le sujet qu'il dit, en tout cas, il est en train de travailler avec méthode, mais il faut dire que le président est au niveau de ça. Il a déjà eu temps donc pour son second mandat, il ne reste que je veux dire qu'il va effectivement falloir euh, euh, qu'il y ait vraiment véritablement plus de, détermination pour en tout cas inverser la, la, tendance. il a dit par exemple, ils ont identifié au les, les, les, quelques cas corrompus, il a cité la police, la gendarmerie, pas seulement que ça. C'est donc euh, une, une, réalité. Maintenant, par rapport aux conditions de vie des, Nigériens, euh, les gens sont sont, sont, sont, pessimistes. Oui, il y a des raisons maintenant. ce qui incombe euh, à, l'État, à savoir quelles sont les conditions d'égalité de chances. les euh, jeunes pour accéder en tout cas au boulot, en tout cas le meilleur puisse gagner en cas, quand il y a une compétition, un, concours. Ça, c'est tout à fait normal. En dehors de cela aussi, il faudrait que, euh, en termes d'initiative aussi, il faudrait que, que ce ne soit pas de voir une jeunesse là, en train de faire du thé. Il faut aussi qu'il y ait des initiatives. Le, moi, j'aime aujourd'hui de voir des jeunes qui ont des projets, qui sont en train de se battre, qui se que non, même si c'est compliqué au niveau, pour avoir un boulot au niveau de l'État, mais moi je vais en tout cas euh, initier, quelque, initier chose. quelque, chose. faire un projet, chercher le financement. Il y a beaucoup d'opportunités euh, que de passer le temps en tout cas à, faire du thé ou bien à utiliser les réseaux, sociaux de manière négative. Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut qu'effectivement, euh, au-delà du, pessimisme, qu'on soit optimiste, c'est-à-dire que aussi notre destin, c'est à nous effectivement de le prendre en charge. Euh, Rufai Dandoua euh, je vais, peut-être euh, finir par là, euh, commencer par là où Alhaj a fini quand il dit qu'il voit des jeunes. Qui... Mais même là-bas, il y a la corruption. Même quand tu cherches les financements, c'est la corruption. Moi, moi je, ne suis pas de nature pessimiste, mais quand tu vois ce qui se passe dans, dans ce pays, tu es obligé d'être pessimiste. Tu vois le, drame même de, de, de, de la population du, Niger, de l'avenir du Niger sur sa jeunesse. Aujourd'hui, quand vous voyez la jeunesse, toute cette jeunesse qui dit être euh, leader de ceci, c'est, mais ce n'est que des opportunistes qui sont là, qui attendent juste une ouverture. Ils, rentrent et c'est fini. Toutes les promesses que vous en faites, tout ce dont vous avez parlé, ça tombe à l'eau. C'est ça le drame de, ce pays, au-delà de sa jeunesse. Maintenant, quand vous revenez sur, sur, euh, la corruption, il a cité la police, la gendarmerie, mais on a aussi cité dans le rapport euh, euh, les magistrats, on a cité les parlementaires, on a cité les ministres. Combien de fois dans ce pays, c'est là où vous voyez que le mal est tellement profond dans ce pays, combien de fois on a entendu que pour le vote d'une loi, qui est très importante à l'Assemblée ou d'un projet ou quelque chose de ce genre, on dit qu'on a promis, ou des autorités, les autorités ont promis à leurs députés de l'argent pour qu'ils pour, votent la loi. Mm. Lorsqu'on se rend compte que dans un pays, il y a ce genre de choses, mais qui peut, qui peut combattre la corruption Et ça, ce n'est pas... Combien de ministres dans ce pays Combien de fois on a entendu que tel ministre a négocié telle chose pour te promettre tel autre dans ce pays. C'est pour vous dire que au-delà des petites personnes qui sont là qu'on cible et qu'on qualifie d'être plus corrompues, la corruption, elle est aussi généralisée, elle, elle, vient d'en haut. Et c'est là, et c'est là le drame. La police, tout le monde le sait. Moi, comme par exemple on n'avait pas, parlé de cette histoire de, de, port de casque ou de port de ceinture de sécurité, tout le monde savait que c'était un marché qu'on a ouvert à certaines personnes voyez, non On t'arrête, au lieu même oh, de, de, de, de, te faire une contravention, on te demande de l'argent. Tu payes 2000, 3000 et tu passes. On t'arrête pour défaut de, de papier, au lieu de verser quelque chose, non tu donnes quelque chose à celui qui t'a arrêté. Et par rapport aux conditions de vie des populations pire, pire, encore, pire encore, il y a des endroits stratégiques où on amène les, les, les policiers, des endroits stratégiques où vous pensez avoir beaucoup plus d'argent pour se le partager entre, entre. Donc c'est pour vous dire que dans cette situation où pratiquement personne ne clean, le drame est profond. Maintenant. Ce n'est pas pour autant qu'il faut désespérer, qu'il ne faut pas. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de, de, faire ce genre d'enquête, mais on n'a pas besoin de faire ces enquêtes pour comprendre. On n'a pas. C'est parce que la corruption est généralisée, donc l'argent ne circule que et dans une petite partie de la population que les gens disent qu'ils ne, ne voient pas le bout du tunnel, que l'horizon est bouché, nulle réforme, ne réforme en perspective. Quand l'argent ne circule pas, c'est normal que tu dises que ça ne va pas aller. Et et c'est mieux que les gens de la capitale, par exemple, comprennent qu'ils sachent que le Niger, ce n'est pas Niamey. Le Niger, c'est aussi l'intérieur. Le monsieur Ali a dit que c'est Adifa, Atilaberi. Il faut aller à l'intérieur, au Niger profond, pour comprendre ce que c'est que le Niger. Comment vivent les Nigériens. Et justement, cette enquête, c'était l'objet. Il n'arrive même pas à manger trois fois par jour. Appelle les gens, mangent une fois par jour. Mais ce sont ces gens-là. Et ce sont ces gens-là qui sortent malheureusement le jour des élections pour voter. Roufaï, nous allons revenir à vous. Nous allons donner la parole à Gare Amadou. Le temps file. Garé Amadou, oui, c'est qu'il faut dire ce que... Vous euh, avez euh, entendu, les explications par rapport à cette enquête Oui, j'ai entendu les explications par rapport à mm. cette enquête. C'est vrai, je n'ai pas, pas très bien étudié ça. En fait, je, pas, je, vais essayer de m'informer pour mm. savoir sur la base de quoi est-ce que l'échantillonnage a été fait. Parce qu'une enquête, la base, c'est l'échantillon. Mm. C'est ça qui permet de savoir si c'est une enquête bien menée La crédibilité. La crédibilité, c'est l'échantillonnage. Oui, oui c'est l'échantillonnage. Parce que si tu pars demander à un pauvre, il va te dire qu'il n'est pas heureux, c'est clair. C'est pas Oui, tu n'as pas besoin... Oui, mais, en fait, tu vas chez un pauvre, tu dis... Mais il va te dire que non, il n'est heureux, bien sûr. Mhm. et donc l'échantillonnage compte beaucoup. Je sais pas. Oh, non, non, un riche, peut te dire que, ah oui, il, se il, peut, ne pas être heureux, mais pas sur le plan financier, pas sur le mm. plan truc, mais voilà, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, mm. Donc, il faut qu'on puisse avoir l'échantillonnage sur la base duquel la CDL a fait son enquête. Et ça va nous permettre d'avoir. En collaborant, c'est l'afro-baromètre. Donc, c'est extrêmement important. Parce que, mm. voilà, si femmes, 600 hommes, mais comment, euh, comment est-ce que c'est. Parce que 600 hommes où Et comment, sur la base de quoi mm-hmm. C'est ça qui permet de savoir euh, la, valeur de, de, de l'enquête disait qu'on n'a pas besoin de, faire ces ce genre d'enquête pour se rendre compte de la corruption. de... Hmm. le Niger est un pays pauvre. Et donc, forcément, la majorité des gens ne sont pas heureux parce que la pauvreté, c'est pas un plaisir. Est-ce que vous comprenez Mais c'est une évidence. Vous comprenez On n'a pas besoin. L'enquête ne fait que dire une évidence. Le Niger, le Niger c'est un pays pauvre. C'est pas un pays riche. Est-ce que vous comprenez La majorité des Nigériens sont pauvres. Ça, c'est connu depuis longtemps, n'est-ce pas Et la corruption. Et donc, ce qui fait que l'enquête, l'enquête ne peut révéler que la majorité des Nigériens ne sont pas contents parce que la pauvreté, ce n'est pas une situation qu'on apprécie. On ne peut pas apprécier la situation de la pauvreté. Et donc, sur le plan de la corruption, on dit, euh, oui, euh, il y a les porteurs de tenue, il y a ceci, cela. Mais ça, c'est une évidence. Au, Niger, aujourd'hui, on dit que non, pour pouvoir avoir, il faut amener l'argent de la cola. Alors que, mais nous tous nous comportons comme ça. cest vrai qu'à un moment, oui, c'est vrai. Nous comportons comme ça parce que c'est là où c'est grave. ça s'est incrusté sur les comportements, sur les habitudes. là où c'est grave, c'est que c'est rentré dans le comportement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on veut, même si on a les trucs au complet, le dossier au complet, on dit Ah non, ah si tu parles, ah si, il faut donner la cola au gars, sinon ton dossier, il va. Il va... Ou bien il faut déposer une pierre et je vous assure, Et je vous assure, si vous ne donnez pas, si vous ne donnez pas cette cola-là, et comme vous n'êtes pas sûr que le gars va bien gérer votre dossier, vous êtes obligé de Alors, Garé, quel votre avis sur les, sur les méthodes de lutte aujourd'hui On a vu qu'il y a la Halcia qui fait, euh, en tout cas, euh, qui, qui, qui, dans ce domaine, la ligne verte. Oui, mais le principe de la corruption, c'est que le corrompu et le corrupteur tout leur compte. Mm. C'est compliqué. Parce que toi qui donnes l'argent, c'est pour un service lui qui prend, c'est pour une satisfaction matérielle. C'est la, la, la, la, lutte compliquée. Mais c'est compliqué parce que la corruption, ce n'est pas un document que vous signez quand vous donnez l'argent. Non. C'est de main en main, c'est de dessous le table, on appelle ça. Euh, euh, Rufai Malheureusement, c'est ancré dans nos mœurs. Hein. Regardez, aujourd'hui, moi, je vous prends un, seul exemple. Quel est le Nigérien qui a eu un permis de conduire qui n'a pas donné de l'argent pour avoir le, permis de conduire Pourtant, tu payes tu payes euh, euh, euh, le cours, tu payes tout, mais, mais tu es obligé de payer 20 000 francs ou plus pour avoir le permis. Sinon, tu ça, c'est avant même demain, va, va El Suleiman Mahmoud, El Suleiman Mahmoud. Je voulais juste dire que. Nous allons clôturer avec euh, El Suleiman Mahmoud. Euh, en fait, le principe de la là c'est vraiment la question de l'échangeuse ne se pose pas parce que c'est quand même des professionnels, en tout cas composés avec vraiment des compétences euh, diverses, des anthropologues, des sociologues, des géographes. Vraiment, je pense que. C'est des études, en tout cas, qui, ont, sont, en cours depuis 2001. en mm. tout cas, mais bon, c'est dire que vraiment. Fin du forum. Euh, fin du forum de, la presse de ce soir. Nous étions avec. Euh, c'est fini, c'est fini. Nous étions avec Gary Amadou, journaliste au journal La Nation. là, Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter et Roufaï Dandoua. Présentation à la scène. Kouzi Mahamadou. Rendez-vous samedi et dimanche à partir de 17h15 pour le forum à Hausa et Anzarma Bonsoir.